direct des zones de nos radios partenaires. Il vient d'être 11h lors de votre rendez-vous de la mi-journée Le Niger sur Kalangou. Pour vous tenir compagnie, Samira Rouafi et moi-même Rukai Top Draman. Bonjour Samira, comment tu vas Je vais super bien, merci. De l'autre côté de la vitre, nous avons à la technique Mustapha Ayouba et Khadija Issaka à l'édition. Bonjour à vous. Au programme de ce numéro, le flash d'information, nous recevons comme invité aujourd'hui un homme avec plusieurs casquettes. Il s'appelle Ibrahim Ousmane alias Mbros. Il est manager, preneur de son et opérateur de prise de vue. Il y aura également la rubrique hebdomadaire du sport et vous allez vibrer au rythme de la musique 100% nigérienne. Une bonne heure d'information et de divertissement vous attendent. C'est parti. Fidèles auditeurs, voici le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Rouquette Abdraman. Bonjour Samira Rouafi. Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent. Le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Omarou Tawaye, a présidé hier jeudi l'ouverture de la réunion sur les préparatifs de la consultation nationale pour la refondation de la République un conclave qui a regroupé, dans tout, qui a regroupé tous les représentants des forces vives de la région en vue de mettre en place le comité régional devant produire un mémorandum dans le cadre des contributions aux assises de la consultation nationale. Le dit mémorandum définira les priorités nationales durant la transition rappellera les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Dans une dépêche AFP de ce matin, on apprend que les États-Unis ont décidé de repositionner leurs troupes au Niger en raison des récents événements politiques dans le pays. Suite au coup d'État survenu le 26 juillet, le Pentagone a annoncé hier jeudi qu'il prenait des mesures par précaution. Le département de la défense américaine déplace une partie de, son personnel et de ses ressources de la base aérienne 101 située à Niamey vers la base aérienne 201 à Agadez située plus au nord le porte-parole de la Pentagone, le porte-parole du Pentagone Sabrina Singh a assuré qu'il n'y avait pas de menace directe sur le personnel américain sur place et que cette décision était une simple mesure de précaution. Les États-Unis ont environ 1100 soldats stationnés au Niger, engagés dans des opérations contre des groupes djihadistes dans la région. Au moins 49 euh, civils et 15 militaires maliens ont été tués hier jeudi 7 septembre dans l'attaque d'un bateau de transport et d'une position de l'armée malienne à Bamba, région de Gao, dans le nord du pays, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Une cinquantaine de terroristes ont été tués et les opérations de ratissage continuent selon la même source qui précise que Suite à ce drame, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déclaré un deuil national de trois jours à compter de ce vendredi. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 8 septembre 2023. Merci Mokhtar et très bonne journée à toi. Chers auditeurs, comme annoncé tout à l'heure, nous sommes ce matin avec Ibrahim Ousmandi Mbros, il est manager opérateur de prise de son et de prise de vue. Inakwana Ibrahim. Koko lafiya ko a kirawo ka da mm. embros <laughs> to madalla kafin mu baka damar tsoka albarkacin bakinka cikin wannan hirar tamu za mu huta da wannan faifai na tal national da ake cema katako. mata muje wai sai formation musicale du Niger, elle regroupe plusieurs chanteurs et instrumentalistes. C'est en 2000 que la bande fait son apparition sur, scène, sur la scène musicale nigérienne. Le groupe compte 6 musiciens sur scène, mais est composé de 17 membres, parmi lesquels les groupes ethno-linguistiques du pays. Exactement, Rocky. Le groupe Tal National a su créer une harmonie envoûtante où chaque ethnie mêle sa sensibilité, son répertoire et ses sons. Euh, et ce à ceux du rock adulé euh, de Niamey Azender, le national a aussi conquis les oreilles anglo-saxonnes. Cette chanson que nous sommes en train d'écouter était principalement chantée par Feu Madougou qui a déjà quitté le groupe avant son décès. su studio lokaci ne da za mu tarar da babban bakon namu na yau wato ibrahim alias ambrose ya ni ambrose ba dai kana lafiya ba wallahi lafiya lau wallahi gida lau ne wallahi to mun san da cewa dai kai manaja ne muna son mu san wani nauyi ne ya rataya a wuyan manaja to gaskiya aikin manaja ba karamin aiki ba ne ba mhm. musamman idan kika ɗauka abin da ya shafi bangaren artist mhm. idan aka ce kowane artist yana da manaja to wannan artist idan ya yi daidai aikin manaja ne mm-hmm. idan ya yi ba daidai ba aikin manaja ne to shi manaja shi ne wanda zai dinga nuna shi artist nan mm-hmm. hanya na farko a yau aka ce akwai wani concert da zai yi shi wannan artist din mm-hmm. kafin ainihin kai manaja shi artist kafin ya je gurin kai manaja kai za ka fara zuwa kai za ka shirya komai da irin abubuwan da zai yi a gurin ga baki ɗaya kai za ka shirya shi sannan kuma abu na biyu shine kai manaja mm. kai ne ya kamata ka zauna shi wannan artist ɗin ka zaunar da shi ka dinga nuna mai cewa ga abin da zai yi wanda zai sa duniya ta so shi ta anshe shi sannan ka hana shi yin wasu abubuwa wanda zai sa ya fito ko ya yi magana ko kuma ya wasu waƙoƙi ko kuma ya wasu kalamai wanda za su ɓata mai ainihin mutuncinsa to wani ndi ya ɗori akan manaja sannan idan yana son yin wasu abubuwa dole ne sai ya kirawo ka kun zauna kai za ka ɗora shi a hanya tukunna amma idan aka ce an bar shi ya je ayyukansa da shi kaɗai to gaskiya akwai damuwa to wannan shine kaɗan daga cikin aikin manaja. To Ibrahim, wani irin kalubale ne ake iya fuskanta in aka kasance manajan wani? Eto eh gaskiya akwai kalubale da yawa wanda ake fuskanta. Musamman kai a matsayinka na manaja. Yana da kyau duk inda wanda kake wakilta zai je to ya kasance guri ne wanda a ah, za ka kare mutuncinsa. Saboda matsalolin da ake samu da sauran wasu mutane ne ni a matsayina na manaja ka zo ka ce kana son wani za ka yi zai je ma guri kaza ko wance za ta je ma guri kaza to na farko dai sai na tsaya na duba na ga shin wannan gurin idan ta je wuri ne wanda ya kamace ta ita kanta ba zai yiwu ba a ce kowane irin guri ka saki artist ɗinka ya dinga yawo yana zuwa ko ina a ba zai yiwu ba wani lokacin muna samun matsala da mutane idan aka kira ka aka ce ana buƙatar wani a guri kai kuma idan ka tsaya ka duba kaga shin shi wannan zuwa gurin nan shin shi ci gaba ne a gurin shi ko kuma koma baya ne to gaskiya wani lokacin idan muka tsaya muka duba muka ga a zuwan wurin akwai damuwa ba ma yadda da wannan to wannan shine yake jawa mutane suke ganin kamar mun fiye tsauri ko kuma mun fiye kafkaf da kai sai a ga wani lokacin kamar girman kai gare ka mutane sai su ga ba za su iya zuwa su tunkare ka akan maganar wani ba saboda ko an zo ba za a baka ba za ba za dama ba to wannan shine muke fuskantar matsaloli da sauran mutane to yanzu mi ya fi ciwo kamar yanzu a ce mi ya ba da wuya nake nufi in aka ce kai manajan mace ne ko manajan namiji in kana son ka zama manajan mace hakan ga wani irin wahala yake da shi wurin shawo kan ma iyayen nata da duk abin da ya biyo baya to gaskiya wannan babban bangare ne Ah, musamman mace. Mace duk mace aka ce za ka yi mata manaja, na farko za ka fara samun ƙalubale daga gidansu wajen iyayenta kenan kafin a zo ga wajen mutanen gari. To, na farko idan ka je ka samu iyayenta, a ah, kai musu bayanin abin da yake faruwa. Wani lokacin ko da uwa, mama da baba sun yarda ana samun matsalar fami. Wani daga baya ko kanin uwa ko kanin uba ya zo ya ce ba haka ba kamar yaran za su lalace ko za su menene mm. ko kuma a matsayin ka na namiji don me za a bari ka dinga nuna mace hanya yana da kyau a ce ko mace za a samu manaja ya wata ko kuma menene su kuma mutanen gari mm-hmm. matsalar da muke faruwa shine mutanen gari sai su ga a'a wannan mata ce kana yi mata manaja mm-hmm. to wala Allah akwai wata alaƙa tsakaninku wadda ta shafi bangaren soyayya muna samun wannan shine ba babban matsalar da muka fi samu a wajen mutanen gari saboda gani suke kamar in aka ce kai manaja ne na mace a'a soyayya kuke yi dalilin wannan soyayyar kana iya hana ta ta je ta yi wa wani aiki ko don ba kwa shiri da shi ko kuma don wani abu muna samun irin wannan matsalolin musamman a bangaren mata to madalla Ibrahim muna <laughs> Fidèles auditeurs, avant de continuer notre entretien, marquons une pause avec la revue de la presse présentée par Nafisa Adam Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Ricky, bonjour Samira. Bonjour. Alors, Nafisa, sorti médiatique du Premier ministre Lamine Zen Ali l'imam déterminé à relever les défis, titre le journal Niger Inter. En effet, le Premier ministre du gouvernement de transition, Lamine Ali Mohamed, a animé le lundi 4 août 2023 une conférence de presse sur les résultats de la mise en œuvre de l'action gouvernementale depuis les événements du 20 juillet. Trois points essentiels ont été abordés, à savoir la sécurité, la situation économique et financière du pays et la rentrée scolaire 2023-2024, précise à Niger Inter. Sur la question sécuritaire, le Premier ministre a déclaré que les forces de défense et de sécurité nigériennes travaillent euh, depuis plus d'un mois pour assurer la sécurité du territoire national, mais également des personnes et des biens. Vous aurez dû apprendre ces deux jours les victoires remportées par nos militaires sur le terrain face à des terroristes arrêtés avec un de nos partenaires, mais libérés depuis les événements du 20 sujet, a affirmé Laminzen. Sur la situation économique et financière du pays, le Premier ministre a déclaré que le Niger est aujourd'hui à un stock de dettes estimé à 5 200 milliards de francs CFA. Il est composé de 3 200 milliards de dettes extérieures et 2 000 milliards de dettes intérieures. Face à cette situation qui s'avère délicate selon le Premier ministre, les autorités du Niger, le gouvernement envisage deux solutions. La première est la loi de finances rectificative qui est en gestation pour intégrer les nouveaux besoins et préparer la loi des finances 2024 selon lui. La deuxième solution est le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie qui est un programme qui va intégrer tous les besoins des Nigériens pour sortir de la situation en tenant compte de l'embargo. Et le troisième point abordé de cette euh, conférence est la question de la rentrée scolaire 2023-2024. Toutes les dispositions sont prises pour que le gouvernement soit en mesure d'assurer une très bonne rentrée au niveau primaire, secondaire et universitaire, a annoncé le Premier ministre. Nafisa, parlons maintenant de la coopération Niger-Nigeria euh, vers euh, l'application euh, ferme du principe de réciprocité entre les deux pays, nous annonce le gouvernemental le Sahel. Et eh oui, au cours d'une audience entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakaria Ousangré, et l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Sani Ousmane, la question des relations bilatérales nigéro-nigériennes ont été discutées. Les deux personnalités ont aborder certaines pratiques et décisions mises en œuvre par la République fédérale du Nigeria qui, selon eux, pourraient mettre à, mal les relations diplomatiques entre les deux pays. Le ministre Bakari a demandé à ce que ces ajustements cessent afin de préserver l'exemplarité des relations bilatérales que les décisions de la CDAO ne devraient pas affecter. Selon toujours le journal gouvernemental Le Sahel, le ministre a ajouté que si ces pratiques non acceptables devraient continuer, le principe de réciprocité reconnu dans les relations internationales sera fermement appliqué. quê? Navi, à la suite de cette revue de presse Force française au Niger. La France annonce la fin des coopérations militaires dans le pays, nous informe Niger Inter. Des informations relayées par plusieurs médias occidentaux dont le journal Le Monde font état de discussions en cours actuellement entre les militaires français et nigériens pour un retrait partiel des troupes françaises du Niger. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a dans un entretien au journal Le Monde indiqué que la mission des troupes françaises ne peut plus être assurée aujourd'hui dans ce pays sahélien. Toutefois, il s'agit d'une annonce allant dans le sens d'un possible dénouement de la situation, alors que la, tension a monté d'un cran ces derniers jours avec à la clé des manifestations hostiles devant la base militaire française près de l'aéroport de Niamey. Ces manifestants réclament justement le départ des militaires français du territoire nigérien. Des pourparlers dirigés par l'état-major des forces françaises installées au Tchad sous le commandement du général de division Erika Ozan se concentre sur le rapatriement de certains équipements sensibles comme les avions Mirage 2000, les drones Reaper et certains hélicoptères. Les mêmes sources indiquent que ces, ces discussions sont pour le moment limitées au niveau local et ne représentent pas un dialogue entre le gouvernement de Paris et de Niamey. C'est la fin de cette revue de presse. Merci Nafisa, très bonne journée à toi. À vous demain. Alors fidèles auditeurs, nous sommes de retour avec avec notre invité Ibrahim Ousmane dit Mbros. Pour rappel, il est manager, opérateur de prise de son et de prise de vue. abin da zai kai mu zuwa ga tambayar mu ta gaba hmm. tunda mun ce kai manaja ne kana kamera eh, kuma kana ɗaukar sauti hmm. to muna son mu san bayan wa'annan ayyukan da muka riga muka zano akwai wani aiki da kake yi na daban eh bayan wannan ayyukan da nake yi akwai sana'a da nake yi mhm. ah, sana'a ta ita ce ɗinki mhm. hmm, ina sana'a ɗinki to madalla ehm, muna son muna jin dai ana dan maganar solo hakan ga kamar ni ban daɗe ba da na ji menene ma solo to muna son ka ba mu dan ƙarin haske a kayan aka ce wannan dan solo ne mi ake nufi to gaskiya da kika ce solo gaskiya solo babban abu ne mhm. kuma a yanayin da muke ciki yanzu wannan suna idan aka kira ka da shi a cikin gari mutane a ce ma dan solo kamar ana ɗaukaka ne wani mutum ne wanda ba shi da kunya ba shi da tarbiyya mm-hmm. gaskiya saboda ita kanta kalma solo ba wai kalma hausa ba ce mm-hmm. kalma ce ta turanci ainihin sunan ya fara ne daga solo dance mm-hmm. kowa ya san abin da ya shafi bangaren rawa ne mm. kuma ita wannan solon ta zo mana cikin garinmu na hausawa kusan shekara 23 kenan zuwa da hudu Mhm. wannan sunan ya zo cikin hausa ta dalilin wani dan wasan hausa a najeriya ana ce mai sha'ibu idris wanda aka fi sani da lilisko to a lokacin yana irin wannan rawar shi ne ya shigo da wannan rawa da ya bude sabon gidan wasan da yake da shi a tarauni a kano mhm. kenan mhm. to gaskiya ita wannan harka ta solo a dai yanzu a zan iya cewa kamar tana ba matasanmu maza da mata matsaloli kala-kala sakamakon mace ko namijin an ga suna wannan harkar gaskiya 'yan gari ma ba sa kallon ka da mutunci. Mm-hmm. To Ibrahim wani irin alheri ne ka samu cikin wannan ayyukan da ce yi? To alhamdulillah gaskiya cikin ayyukan da nake yi na samu alheri da dama kala-kala abin da ya shafi ɓangaren manajan kyamara injinar da son ɗinki duka kowane alhamdulillah mun gode Allah to kahin tambayan mu na karshe mm. ina so in sani akai matsayin manajan mawaka mm. mun san dai ba zan ke duka ba mun san dai kuma su la plupart mm-hmm. da yawancin manaja sun iya waka ko mm. kai kaye waka ne <laughs> to gaskiya da da dadewa na dan so in fara waka ko in ce na ma yi waka ba tafi guda ɗaya ba guda biyu amma ba irin waka ce ta a harkar da ya shafi dandalin hausa ba mm-hmm. abin da ya shafi harka ta hip hop a to muna so fa eh, muna dan waka ne <laughs> ah, wannan wakar in ne muke ta wata waka ce da take tunamin da wata rayuwa a baya da ne da wata ah. budurwa ta ah, kamar yadda kika mun tambaya a baya abin da ya shafi bangaren solo mhm. lokacin ni ma na dan taba yin wannan harkar mhm. to wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya bani matsala wajen neman aure ma saboda a lokacin ake ganin kamar ina wannan harkokin dan me za a mace a bani ina son a katumta ma masu sauraron mu wato solo shi kawai za a danganta shi ne da harkar dandali ko a'a solo daban dandali daban <laughs> shi dandali abu ne wanda ni da wasu mutane za mu zo mu zauna idan muka zauna za a ba mu abin da za mu faɗa <laughs> kamar muke shi a takaice duk ɗan dandali mutum ne wanda za ka iya kawo labari sannan ka ɗauko kyamara ka sa mai <laughs> ya yi ma shi kuma dan solo mutum ne wanda idan ka kama mai labari ka karanta mai ba zai iya ma ba a'a sai dai amfani da waƙoƙin wasu mutane mm-hmm. ya hau saman dandali eh, daɓe zance daɓe mm-hmm. ya hau saman daɓe ya yi rawa a mai liƙi a bashi kuɗi mm-hmm. ne babu wata alaƙa tsakanin dandali da solo shi ɗan dan solo dan rawa ne shi kuma dan dandali mutum ne wanda yake harkar fim shine yan daga ma kenan to wace irin shawara za ka iya ba matasa da ke son shiga harkar industry gaba daya a jimalci a nan ƙasa Nijar to gaskiya ni shawarar zan ba matasan mu maza da mata na farko dai idan ka ce za ka yi harkar eh, fina-finai to ya kamata tun daga gida ka fara samun albarkar abin kafin ka fito waje mm-hmm. saboda albarka daga gida shine zai sa ko ka fito ka cimma nasara kuma sannan idan ka fito wannan harka kin sa yanzu ana ganin kamar duk mai harka fim ai dan iska ne ko ba shi da tarbiyya ko ba menene to shine ai wasu ne suke bata wasu mm-hmm. to kenan idan ka fito za ka yi wannan harka ka sa zuciyarka cewa sana'a za ka yi mm-hmm. sannan kuma ka kare mutuncinka saboda babban abin da muka rasa a cikin wannan harkar tamu shine mutunci maza da mata mukan iya zuwa wurare da yawa mazanmu da matanmu kiga ana yin wasu abubuwa wanda ba su dace ba to wannan ne idan mutanen gari suna gani sai su ga cewa kamar ashe ma harka haka take babu tarbiyya a cikinta musamman ma mu cikin mu hausawa mm-hmm. kuma kin san al'adar malam bahaushe yadda take tun da can malam bahaushe da ya taso ya taso ne da tarbiyyarsa ko da turawan mulkin mallaka suka zo sun zo sun samu bahaushe a cikin tarbiyya da kaya na mutunci mm-hmm. to wasu sukan yi amfani da wannan dama kiga suna sa wasu kaya wanda ba su dace ba mm-hmm. to nan yana ɗaya daga cikin abin da yake ba mu matsala musamman kika ɗau bangaren mata mm-hmm, mm-hmm. to shi yasa kiga ko wancan bangaren da kika yi magana na solo yawanci ana samun irin wannan za ki ga mata da yawa sai su fito daga gida su ce za su yi harkar fim amma ba fim ɗin suke ba solo suke tafiya kuma kusan kamar harkar ta ɓaci yanzu ta koma kamar kawalci in tura kike an su kuɗi ki kawo Um, a cikin jika goma ina da jika biyar to wanda na tura kika an so kuɗi a hannun shi in an tashi daga wajen ban san kuma wata alaƙa za ku kulla ba to shi yasa kika ga ana samun irin wannan matsaloli da yawa mm-hmm, mm-hmm. to Allah da ya kyauta. A nan za mu dasa aya wannan hirar tamu da kai sai kuma gaba ta yi wa mu kara mu gaito ka danka muna magana bisa kan abin da ya shafi harkar dandali kuku fannin solo dai Allah da ya sani. <laughs> Muna muka fatan ka huta lafiya. Fidèles auditeurs, après l'entretien avec notre invité du jour, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire et aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat. Exactement, de nos jours, beaucoup de femmes se lancent dans les activités entrepreneuriales et d'autres dans les activités génératrices de revenus. Certaines arrivent à peine à trouver de financement venant d'autres organisations. Alors, dans cette période de crise, n'est-elle pas euh, sans conséquence pour la bonne marche de leur activité Pour plus de détails, nous avons échangé avec une de ces femmes entrepreneurs, Zalifa Beidou. On l'écoute. Kala wannan kungiyar taku ta kai shekara nawa da girkawa? Da girkawa ta tun da mil dizinef alif dubu biyu da sha tara sha takwas ta fara yanzu kuma muna dubu biyu da ishirin da uku yanzu za shekara biyar. Kamar wani ayyuka da ayyuka ne wannan kungiyar taku take yi? Tsare-tsaren kungiyar mu dai mu dai muna cikin mambobi mayya waɗanda gaskiya aikin su shina da kuzari na hidda mai da digadige. Gigadige na muka hidda da mai kuma muna wasu sarrafe-sarrafe kama da ga gari masara da garin dawa da yaji duka dun muna yi kuna samun tallafi ko kuma horo daga wasu kungiyoyi to kowa ta tabba mu tallafi kuma ita tabba mu horo wallahi mun gode mata da matsayinta su sun ka ba mu kuɗin hannun jari sun ka koya mana komi da in ka saye ka rubuta in ka za ka sai suwa in ka kare ka san ka ka ci riba ko baka ci riba ba su sun ka koya mana shi dai mai in mun ka hidda shi kakin mu kare ana tambaya sai mu saida kuli kuli ma haka nan da kore aka saida kuma ana sai suwa ƙananan ƙananan da nan cikin gida shi ma diga digin ma haka nan cikin gida ma an tambaya ko ina nan ko babu nan duka mambobi sun sa akwai su sai su saka suna doka suna saidawa kamar adadin mutum nawa a cikin wannan kungiyar ta mu duka mata na mu goma sha ɗaya ga wanga aiki kuma fam ta ƙara mana wani ƙoƙari na yin garin masara da guskus da amberuwa da garin wake duka ta ƙara mana ƙarin gwiwa fam ita korar da mu ta mana kwana takwas na horo kuma an ka ba mu ci gaba na kwana biyu da a gani in mun kware in ba mu kware ba kuma sun ce cikin kwana biyun nan da goma da an kai an kai mana kwana biyu na horo a gani in mun kware in ba mu kware ba sun ka ga mun kware kuma har sun ce suna ba mu attestation mu ta karin girma muna yin asusu duk laraba muna zubi dala ɗari dari muna hidda riba muna hidda duk wanda ya ya tar ba haka nan muka zo ke yanzu dai fam ɗaya ta ce tana dawa muna kuma dai bata dawo mana ba amma muna cikin jira kuma muna cikin shiri wallahi mun samu ci gaba kwarai tunda dai waɗanda ba su iya aiki ba ma sun iya aiki kuma sai su koya mu wani kuma ɗan awas sun ka fara aikin su na wajen su na wata gurfa ma an ka kira mu in mun ka zo mun ka sa hannu ko da abaya ɓaci sun ka kira mu ga waya sai mu tahi mu zo mu dawo musu a hidda kuma tare da mu ai komi tare da mu dukan su uwaye ne kamar mata tsofaffi ko kuma akwai matasa ciki ko mu da kamu akwai tsohi akwai matasa mm, mun rarrabu kashi kashi saboda ba a tahiya gaba ɗaya ƙara akwai masu ƙarfi akwai mara ƙarfi. a fannin tallafi kuma wani irin tallafi ne ƙungiyar kungiyar taku take bukata a wannan lokaci ko kuma mu ce a cikin wannan tafiya. Wallah wani tallafin da muka so mu dai gaskiya gwamnati ko ta proje ta kura da mu don mu ba mu san gaskiya zaman banza yanzu kuma ga tsadar rayuwa shine abu ba mu so kun ba mu san zaman banza mun hira muna kica kica ko don lokaci muna wasa da dariya cikin taro. Yanzu zuwa shigowar wannan matsalar da kasar take ciki akwai wata kungiya da ta tallafa muku bayan an shigo wannan matsalar ta 'yan kwanakin gada kasar ta samu kanta a ciki. mun daɗe rabin mu da horo da an ka samu juyin mulkin ga mu dai shiru muna roƙon Allah ubangiji sarkin sarauta Allah shi kwanta sawan ga abu ko mu samu ci gaba ba su dai in can babu daɗi mu ma babu daɗi mm. Fidèles auditeurs, si vous venez de nous capter, vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Alors nous allons faire un tour en musique avec le titre d'Adaï Houmé de Yakuba Moumouni Denkadenki. Yacoub Denke Denke, chanteur et flûtiste. Momoni est berger durant son enfance puis quitte sa famille à la mort de son père pour rejoindre la capitale Niamey. Il exerce le métier de boy chez la chanteuse Hapsatou Dente qui lui enseigne la musique. En 1990, il entre au Centre de formation et de promotion musicale CFPM et se produit avec leur formation, l'orchestre Takeda, dirigé par Abdoulaye Alassane. Il fonde Mamar Kassai en 1995. Le groupe porte le nom d'un guerrier légendaire de l'Empire Songhai. Dans cette chanson, il fait les éloges de ses cousins, les Touaregs. Hare C'était le titre d'Adaya Oumé de l'artiste Momoni Denke Voilà. <laughs> Passons au reportage des régions d'aujourd'hui qui parle de santé, n'est-ce pas Mira Exactement, le centre de santé intégré de Issa à Maradi, situé à la frontière avec le Nigeria, a eu euh, au sein de son centre, a ou son centre de santé plutôt, euh, euh, de récupération nutritionnelle des enfants malnutris en cette période de soudure, il enregistre un, nombre important d'enfants malades du Niger et du Nigeria. Le reportage est signé Mohamed Maman. Nous sommes à l'entrée du centre où les enfants sont contrôlés avant leur admission. Ainsi, l'assistant institutionnel chargé de faire ce travail applique le protocole, celui de toucher les pieds des enfants et le visage à la recherche des œdèmes, un signe qui peut expliquer si l'enfant malade doit être pris en charge ou non. Dauda Chebou, superviseur de ses assistants nutritionnels, explique la procédure qu'elles doivent suivre. Si les œdèmes qui prennent les godets, si c'est au niveau juste euh, au niveau des pieds, donc ça c'est une seule croix. Si ça remonte au niveau de la jambe, donc deux croix au niveau du visage trois croix. Donc trois croix, ils savent nécessairement que c'est une indication de référence. Donc l'enfant ne perd pas du temps rapidement. Donc vous voyez, il a déjà été pris en charge donc pour, euh, pour préparer sa, référence, sa pour qu'il aille au niveau du crénima d'Arufa. Les enfants normalement qui doivent être référés, c'est à la minute près. Donc dès quoi les donc directement ils sortent de la queue quoi on ne leur fasse pas attendre, puisque directement on sait qu'ils ont besoin d'une prise en charge urgente euh, au niveau du Madarunfa. Donc on prépare directement leur référence pour qu'ils aillent euh, au niveau du Madarunfa, Crédit Madarunfa. Une fois cet état franchi qui permet l'admission au nom de l'enfant, ce dernier doit encore subir un autre test, celui de la mesure du périmètre brachial. Il consiste à mettre une mesure autour du bras de l'enfant malade pour connaître son vrai statut, autrement dit, s'il est malnutri sévère ou modéré. Madame Hassi, infirmière, l'explique. Il y a les malnutries, c'est vrai, et les malnutries modérées. Donc, en fonction du poids et les aides scores de l'enfant, et d'un PV inférieur à 115, l'enfant est admissible au CRENAS. Tout enfant qui a un PV inférieur à 115, il est admissible au CRENAS. Et même le PV inférieur à 125. Les majorités ici, ils viennent du Nigeria ou des autres sites. Pour bénéficier des sessions nécessaires au rétablissement de l'enfant, certaines mamans peuvent faire des kilomètres au péril de leur vie pour venir au centre de Au Maman, cette mère nigérienne de l'état de Katina, a dû traverser la frontière malgré la présence des bandits armés qui sévissent dans la zone pour venir dans ce centre. ana ba su magani wallahi ni ga ni can kanwa sunan garin can kusa da katsina can kusa da katsina kanwa inda barayi ne suka matsa mu ne kwatance kwatance aka ce mana yanzu in nan kawo shi nan kila yanzu sauki zai ji ana ne ana ba da magani na ce shekara shi uku kuma ma bai ta yi ya zanne yake ga kanan shi Les mamans qui sont de la zone de Nain-Issa viennent aussi en masse pour faire traiter leurs enfants. Ramatou, cette mère, fait face elle seule à la maladie de son enfant car étant divorcée du père de l'enfant. gaskiya da sauki inda kwana nawa gaskiya da ko kashi ba ta yi kuma yanzu ma kwana biyu yau na uku ba ta yi kashi kuma alhamdulillah a nan da aka ba mu abinci har kuwa take ta amsa ta ci sai aka ci ka in bata abinci in bata filanti to da na bata gaskiya sai ta tasha sha amma ba a bata ba har ta kaga yanzu dai ta na bar gidan shi tun daga gade ba ta lahaya ko dalashi ko ne rashe biyar gaskiya in mm, mm, ba ya da. bai taɓa ya wasu kiyata na baro gidan ne ni dai ce in dala in ɗauka in magani tana da shida in ɗauka in bada a sau mata in bata magani ta sha in kata ko na kata likita can aka rubuto in ɗauki kuɗi in bada an sai to ba yi ne ko an ce sai ci bai da kuɗi ni kuma rada ba ni da sutu sai in ta ko jan uwaye ko in ce mam in suna da wani abu su bani in ta tun daga lokacin na har ga Allah lokacin da ina gidan nan En cette période de pic du palu et du soudure, beaucoup d'enfants souffrent d'insuffisance alimentaire dans la région de Maradi, ce qui est une véritable menace à leur vie. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et maintenant, place au sport avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mira. Alors, débutons cette page sport avec la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Oui, hier, plusieurs nations ont décroché leurs tickets qualificatifs pour cette canne. Commençons par le groupe du MENA où l'Algérie termine premier du groupe avec 16 points et la Tanzanie deuxième avec 8 points. Le MENA, quant à lui, a terminé dernier de son groupe avec deux points derrière l'Ouganda qui, malgré sa victoire hier face au Niger, deux buts à 0, termine troisième de la poule avec sept points. Adam dans le groupe E, deux habitués de ce rendez-vous africain ont aussi assuré leur qualification. Eh bien oui, il s'agit de, des Black Stars du Ghana et de l'Angola. Dans ce groupe, c'est le Ghana qui a terminé premier avec deux points et l'Angola deuxième avec neuf points. La République centrafricaine et le Madagascar sont tombés en échec dans ce groupe. Adam, allons à présent euh, voir euh, ce qui s'est passé hier dans le groupe euh, J où il y a aussi un habitué de la Cannes. Et là, il s'agit de la Tunisie qui a terminé premier du groupe J avec 13 points, avec une bonne différence de but grâce à sa défense qui est la meilleure de ses éliminatoires. La Guinée, la Guinée équatoriale termine deuxième de ce groupe avec 13 points également. Le Botswana et la Libye terminent derrière avec 4 euh, points chacun. Adam, quel est le programme d'aujourd'hui Alors aujourd'hui, l'Égypte de Mohamed Salah jouera à 17h contre l'Éthiopie. Le Burkina Faso, pour la non-homologation de son stade, joue contre la Swaziland au Maroc. Et enfin, le Mali reçoit le Soudan du Sud à 20h. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup euh, Adam. À présent, place au portrait de ce jour qui nous amène à découvrir le parcours de Younous Samman Kadade. Un homme qui, en dépit de la perte de sa vue, a trouvé la vision pour devenir enseignant et œuvrer pour la scolarisation des enfants en situation de handicap de la ville de Gaïa. Fadel Alou nous raconte l'histoire inspirante de ce jeune homme de 31 ans. En 2008, la vie de Maman Mamankadade a pris un tournant inattendu. Il a commencé à perdre la vue, victime de la maladie du glaucome. Ce diagnostic a plongé Yunusa dans un monde d'obscurité. Je vois que les écritures sont serrées, je ne peux pas lire. Vraiment, l'année, ça n'a pas marché, je n'étais pas admis. Oui, après, en 2009, euh, j'ai fait un trimestre. Encore depuis lors, je n'ai pas pu continuer. J'ai suivi les interventions au niveau des deux yeux. Lui, le docteur m'avait averti que vraiment, je ne peux pas avoir la vision. Ce choc aurait pu le faire sombrer, mais Younousa a refusé de laisser la cécité lui dicter sa destinée. Je voulais même partir quelque part là où on ne peut même pas savoir là où je suis. Même si c'est de euh, mourir. Et je me suis dit que ma famille encore peut vraiment souffrir en me cherchant. C'est ce qui m'avait fait renoncer. En 2010, Yunusa a repris le chemin de l'école. Il a commencé à s'initier à l'écriture braille. Sa détermination l'a conduit à l'école normale de Dosso où il a entamé une formation pour devenir enseignant spécialisé en braille. J'ai continué mon étude au CS euh, Talagi Et j'étais le seul non-voyant dans l'établissement. J'ai fait 3 C et avec l'aide du Dieu, encore ça a marché, j'ai eu mon BEPC. J'étais orienté à l'école normale de Dosso. J'ai eu mon diplôme, euh, j'ai commencé à enseigner. Avec l'aide du Dieu, le problème de vision m'a pas empêché d'étudier et d'être euh, fonctionnaire. Aujourd'hui, Yunusa est bien plus qu'un enseignant fonctionnaire de l'État. Il est président de la Fédération départementale des personnes handicapées de Gaïa. À ce poste, il œuvre pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Alassane Abdurrahman, l'un de ses collaborateurs, témoigne de son leadership. Il est très gentil avec euh, sa fédération. Il est très cool avec euh, son entourage. Très dynamique dans son travail, ça sûrement. Marié et père de deux enfants, Younous poursuit toujours sa spécialisation à l'école normale de Dosso pour se hisser davantage dans les rangs des meilleurs de sa spécialité. Chers auditeurs du Niger sur Kalangu, faisons une dernière pause musicale avec le titre Dounia du groupe Poriband de Maradi. a chanté par Musto Yaro du groupe Boribanda. À présent, Rocky place au loti du jour qui traite aujourd'hui des cadeaux que les femmes offrent lors des cérémonies de mariage ou baptême. Ces cadeaux peuvent être en nature ou en espèce, mais pour certaines, c'est un placement dont elles attendent un retour. Écoutons Talat Abdou Bahar et Salamut Kadri sur la question. Affairage, affairage, affairage, affairage. voisine, je suis là. Comment tu vas Et ta famille Dieu merci, tout va bien. Mais dis-moi, tu m'as l'air soucieuse. Qu'est-ce qui ne va pas hum, voisine, tu te souviens de mon amie Zainabou Elle a accouché hier soir. Machallah, c'est une très bonne nouvelle. Mais alors, qu'est-ce qui te rend triste Ah, elle a eu un problème Non, non, pas du tout. Dis, tu te souviens le jour du baptême de mon enfant Elle m'a apporté une enveloppe de 10 000 francs CFA et un carton de savon. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je suis de l'incapacité de lui rendre l'appareil. Non. C'est cela qui te rend aussi désemparée Plus que ça, ma chère. C'est une honte pour moi de ne pas lui donner plus que ce qu'elle m'a donné. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un prêt à rembourser. C'est juste un cadeau pour te féliciter de la naissance de ton bébé. Hum, c'est comme si tu ne connais pas les femmes d'aujourd'hui. Elles attendent toujours un retour de leur gestes plus majoré. Calme-toi, Nana. Ce que j'ai à te dire, c'est de t'habiller et rends-toi au baptême et donne-lui ce dont tu disposes. Moi, j'ai vraiment peur d'être la risée du quartier, d'être indexée parce que je n'ai pas grand-chose à donner. Les temps sont vraiment durs de... Hey, vas-y seulement. Sache que même si tu ne lui donnes rien, cela ne va pas être la fin du monde. Tu n'es certainement pas la seule personne dans cette situation et à penser cela. Les cadeaux, ce ne sont pas vraiment des prêts qui attendent forcément un remboursement. Hum, c'est ce que tu dis. Mais je vais quand même m'apprêter à aller. C'est ce qu'il faut faire. C'est la vérité, ma chère. Les cadeaux lors des cérémonies, c'est juste un geste de solidarité entre femmes. Et même les hommes font partie du lot. Tu n'as pas à t'en faire. Pour moi, c'est un faux problème que tu as là. ah <laughs> voilà, merci de m'avoir remonté le moral. Je vais tout de suite m'apprêter pour ne pas rater le surundu. C'est bon Rio gras du déjeuner. Très bien. Et ne manque pas de mettre ma part dans ton sac. Hmm. D'ailleurs, tiens, mon sachet noir. Hmm. en plus, tu veux qu'on mette de tous les noms, n'est-ce pas Apporte-moi au moins ton jus alors. <laughs> A plus alors, vas-y. C'est là le loti du desk femme du studio Kalangu. Place euh, au mot du jour avec la culture linguistique et ça sera avec Alamine Wacha. Le mot du jour est récolte. Bonjour Alamine. Bonjour euh, Samira, bonjour Kaya. Bonjour Alamine. Euh, récolte c'est défini comme faire la récolte des produits, les recueillir. Exemple, récolter du blé, du mil ou du niébé. Pendant cette saison de pluie, les agriculteurs récoltent ce qu'ils ont semé au début de la saison. D'autre part, on peut employer ces mots comme suit obtenir quelque chose comme conséquence de sa conduite et sans l'avoir voulu. Récolter des mois de prison, par exemple. Ça, c'est aussi une façon de, les, mots mhm. récolte. Donc, on va en tamacher. Mm recolta maja isoka alay madeer awaddi zidar wedanta sigiyaknet fregana weqalan tamir tan hadat mosad tamir adaga asimagiyakan ahan tanna layan garat nasan المثال اللي انتو وين تالينينا جن أجنا وقلنا بورم مصر مدينة نو الكما مدينة نو وين لي مدينة نو تنزان أي تيدن تاكسن دو أوديز درن دا سيجيك نسا يعني أوديز درن دخسن فلقنا ويقلن تا إيماجيا كنرت وان بلا غورتنو تو تنتمر تنسيجيا انت دو كسن يعني تاليان دو غارات نسن فلقنا وهذا انت دا تفر تا ريكوردا تتاوسط أعمال دغرت ويقلن أرت ويقوي دنيمان نت يموس لها مدغي جي يهوسي هو اللي فلقنا ويقلن لها نريتونو من مندم إيجادا هنكزا دغادي أدي توقو تتوقفوا العقوبة تقالت سنة التليل انكسو يعني المعنى أن قو سنة التليل انكسو دغ السباب اللي هاويني قادين دغا ديرتوا يموس أردغا النغن نم كوستا وسقلو اسم وريكورد دات فرانسيس دغا ديرتوا نغرب Merci à la mine, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. ko wasu maganganu ne wanda mun ka gani wanda ba mu gamsu da su ba ko wani tsari wanda wani mutum ya shigo da shi wanda mu akan haka ba mu yarda da shi ba yana aika cikas ga sha'anin mu ko wasu miyagun mutane wanda mun ka gani wanda dai za su taba mana zaman laya dan mu yanzu na a karkara Allah mun ka sa gaba kuma ga damunan mu mun hake insha Allah ita dai ce muke jira in ta kai hankalin mu kwanci amma ba mu cikin wani kama abu na tada hankali tunda duk abin da biyu dai sai mu ci ya wuce alhamdulillahi yanzu bakin mu muna ba hukuma haɗin kai ɗari bisa ɗari in mun ga abin da bai gamshe mu ba kuma mu sanar da hukuma mai kusa gare mu kuma duk wani ɗan uwa namu mazamnin karkara abin da ya kamata ya sa ga kai ne kenan wannan kuma shine ke sa a ƙara samun tabbataccen zaman lahiya da kwance hankali ga ƙasa mu kuma da ma Niger alhamdulillah ba alfahari ba a duniya muna da wannan shaida ko ya mu ci an ka ga ana yi an ga Nigerian sai a ce ja ne an saboda mu ba a san mu da yatina ba duk irin wannan zantattuka na ƙarya Allah ya sabi shi tasiri ba cikin kan mutanen mu saboda menene duka mutane sun fara fahimta zance wanda ke an zo ma da shi ka tsaya ka tauna ka gani sha abun na haka nan ne ko ba haka nan bane tunda ko ka ji bakin bakon zance zaka hoki in ka shi hukuma bata kula abun ba ya kauce wajen tunda ka san zance ne wanda yake ba gaskiya bane kwanci hankali ta ce ci gaban kasa duk inda babu kwanci hankali to babu ci gaba ga kasa kuma muna roƙa Allah ya yaye mana ga masifa a tattare da mu Allah ka mana sauki kuma Allah ya kawo alheri mu duka yan ƙasa dan ciwo ne na kowa ba na mutum guda bane ba na mutum ɗaya bane dan kawan ga ya koma daura su an da ayya mai suwa cikin matsala har da mu tsakiya mu kenan sai da haɗin kai da goyon baya na yan ƙasa gaba ɗaya sannan za a ci gaba kuma sannan za a cimma abin da ake nema Allah ya ba mu damuna mai albarka Nous sommes à la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et moi-même Top Draman. La technique est assurée par Mustapha Ayouba. et Kadiga Isaka, notre chef d'édition. Ne ratez pas l'actu des jeunes tous à la FADA le samedi et le dimanche à partir de 17h sur les radios partenaires et notre site web www.studiocalangou.org. Passez une excellente euh, week end